par rapport aux standards euh, les plus élevés dans le monde pour montrer que l'Afrique n'est pas à la traîne en matière de sécurité et de prévention au niveau des risques professionnels. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de prévention des risques professionnels, c'est valable même pour vous, les journalistes. Encore une fois, parce qu'il il faut, tous les travailleurs ont droit au respect de leur dignité. Et donc, euh, la prévention participe également au respect de ces dignités-là et à l'amélioration de leurs conditions de travail. Également dans des secteurs comme le BTP, comme dans l'hôtellerie en cuisine, comme dans d'autres métiers à risque comme l'exploitation euh, minière, etc., euh, il faut que le, nos pays, les pays africains de manière générale et le Sénégal en particulier, puissent se mettre, disons, aux normes. Parce que maintenant, il n'y a plus, encore une fois, de pays africains ou de pays européens, il y a des normes internationales auxquelles tout le monde doit se soumettre et respecter. Et ce salon de Dakar, euh, je veux dire, euh, avec euh, donc, euh, Préventica et avec l'engagement, je veux dire, très fort de la Caisse de sécurité sociale dirigée par M. Hassan Soumaré, donc ce salon de Dakar est à saluer par rapport à des innovations qu'on découvre et qui vont améliorer euh, la prévention des risques professionnels dans nos entreprises. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'également le patronat euh, joue sa partition. C'est en réalité tous les partenaires sociaux qui sont intéressés, patronat, travailleurs, euh, donc parce que la prévention et la sécurité, c'est quand même au cœur de l'entreprise. Et même nos États, de manière générale, aussi sont intéressés parce que la sécurité et la prévention aussi font partie des politiques publiques, n'est-ce pas, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et pour améliorer également la qualité de nos produits, n'est-ce pas, sans lesquels, encore une fois, on va disparaître. Donc ce salon, est à saluer. Euh, et nous félicitons également M. Eric de, Jean-Servière, commissaire de, de, euh, Préventica, qui euh, naturellement a consacré le rôle maintenant pérenne que jouera désormais Dakar dans, tout ce qui concerne la prévention et la sécurité en milieu du travail. Et vous aussi, nous vous remercions du travail que vous avez accompli et qui nous remplit de satisfaction. Euh, parce que, comme je l'ai rappelé tantôt, tout ce que l'on fait concerne tout le monde du travail, sans exception. C'est transversal. Je veux dire, euh, et également cette globalité permettra effectivement un bon en avant à, nos entreprises et un bon en avant également en matière de sécurité pour notre personnel. Je crois que c'est extrêmement important. Je vous remercie. Que faut-il pour arriver vers le risque zéro le, risque zéro n'existe pas. Hein? Bon, mais en fait, on tend en tout cas vers le fait de minimiser autant que faire se peut les risques. Je crois que, et je crois qu'avec euh, les innovations que nous avons découvert, que vous avez découvert avec nous, je crois que nous sommes sur la bonne voie et ça augure de lendemain meilleur avec ce que nous avons vu. Euh, euh, Dans mandarga mandar nga xam ne ko ci wàllu lépp li nga xam ne yi nga mom jël pour que kat yi euh, danaka ñu baña am ay tolof tolof ci seen liguey manam accident du travail ak yeneen ak yeneen yi nga xam euh dañu jël ay jumtukaay yu tax dégg ma bala ñuy wax ni que ah li amna dañu fexé ba lolu

ci wàll boobu ñu ngi koy lu bu baax a baax. yaa ngi xam ne moom mooy waa waaw Eric Dejean Servière euh, moom ak Assane Soumaré euh, di directeur général kes sécurité sociale ñu ngi koy rafetlu itam ndax Assane Soumaré ak équipe am bi yëpp wax dëgg yàlla farlu lañ ci faral farlu bi nga xam ne ku ko gis sa xol day sedd parce que ñoom wane nañu ni que du ñu xaar mbir mi dal seen kaw waaye dañ koy euh, daanaka dañuy fexe ba loolu dégg ma mun a ñàkk mooy gën. waaw waaye bu te buy ñëw itam bu fekkee dara am ne torof itam mu doon li nga xam ni wax dëgg yàlla day doon li nga xam ne mun nañ ko euh, euh, téye euh, mun nañu fexe daal ba conséquences yi mu naroon am du ko am loolu lu ñu wooyee prévention donc ñu ngi ci gërëm bu baax Assane Soumaré directeur général caisse sociale ak équipe bi yëpp di leen encouragé ci liggéey bu nga xam ne ci jéego yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu boobu. est ce que mën a dem Ndar di santaan ci ko. ah waaye xam man man am naa tànku Ndar bu ñëwee Ndar du ma wax dara damay kontaan rek. <laughs> jërëjëf